Espace Femme. Espace Femme. Espace Femme. Espace Femme. Espace Merci de nous rejoindre pour ce rendez-vous hebdomadaire Espace Femmes de Studio Kalangou consacré aux questions que se posent particulièrement les femmes. Femmes et élections, comment les femmes financent-elles leur campagne C'est la question principale à laquelle nous allons tenter de trouver des réponses dans le forum d'aujourd'hui. Quelles sont les difficultés que rencontrent les femmes dans leur recherche de financement Y a-t-il des différences dans la façon dont les femmes candidates et les hommes candidats dépensent leurs fonds de campagne Comment l'argent est-il dépensé Pour faire le tour de ces questions, nous allons dans ce studio accueillir Madame Kadoure Rachida Mohamed Nassamou. Bonjour. Madame Aminatou Daouda Haynikoy, chef de projet du programme MMD Aker. Bonjour. madame. Et Madame Rama présidente des femmes élues de la région de Tilaberi. Bonjour. Bonjour. À la présentation, Rafika Taher. L'argent est essentiel pour le fonctionnement des partis politiques et affecte particulièrement les candidats dans les campagnes électorales. Il est nécessaire pour mener une campagne efficace et pour convaincre les électeurs. Il peut également contribuer à des conditions d'inégalité politique. Pour commencer le tour des questions euh, avec euh, Madame Aminatou Daouda dites-nous qu'est-ce que CARE International fait comme activité dans le cadre de la politique des femmes. Ok, merci euh, Madame Rafika. Merci aussi euh, au studio Klango pour cette opportunité pour débattre du financement de la campagne des femmes. Et quel international au Niger fait quand même la promotion des femmes et euh, sur le plan que ça soit politique, tout comme socio-économique depuis les années 90 à travers le modèle MMD, Matamas Dubara, mhm. qui au départ quand même s'est focalisé sur comment renforcer les femmes du point de vue économique et qui, eh, des années durant, les femmes travaillaient pour vraiment eh, avoir leur autonomisation économique. Et après, quand elles ont vraiment pu arriver à un certain stade et qu'elles se sont rendues compte de l'importance pour elles d'investir les instances de prise de décision pour influencer les politiques, les programmes et en faveur des femmes et des femmes et des filles elles se sont engagées dans le domaine politique. Donc, de la satisfaction des besoins pratiques, elles se sont intéressées aux besoins stratégiques tels que la participation politique. C'est comme ça qu'avec les élections de 2004, la communalisation, elles ont commencé. Et en 2011, Kerr s'est vu intéressée par l'engouement des femmes, donc à les accompagner en initiant à l'époque euh, à les financer, à leur donner en tout cas des petits, euh, une petite somme pour les aider et vraiment à battre campagne. Mais aujourd'hui, après 2011, nous voilà en 2020 pour les élections locales. Donc, euh, vraiment, vu l'engouement, le nombre important des femmes, et nous avons pu identifier de potentielles candidates, plus de 2000 femmes réparties dans les huit régions du Niger et pour lesquelles nous avons recruté et des ONG de mise en œuvre, des ONG locales qui sont vraiment proches des communautés donc qui les connaissent mieux et connaissent leurs euh, difficultés. Ces ONG-là les accompagnent pour qu'effectivement ces femmes puissent acquérir des renforcements des capacités mhm. sur diverses thématiques et concernant la participation politique. Donc, nous ne finançons pas les femmes du point de vue financier. Mais ce que nous faisons, c'est beaucoup plus le renforcement des capacités. Nous, à travers une collaboration avec des ONG. Des partenaires que nous avons recrutés qui sont euh, établis sur l'ensemble des régions. D'accord. Je viens vers vous, Madame Kadaoure Rachida. Vous militez pour quel parti politique Vous êtes bien sûr candidate aux élections 2020. Oui, je milite pour la SDR Savoie. Donc, euh, j'ai déposé ma candidature euh, à la législative. Financièrement, comment est-ce que vous vous préparez pour affronter la campagne électorale à venir vous savez, parlant de campagne, surtout du, du point de vue femme, c'est pas chose facile. D'abord, la femme, elle a le peu qu'elle a, c'est ce qu'elle utilise pour financer sa campagne avec l'aide bien sûr de son mari et aussi à la famille, les amis. Elles peuvent aussi apporter leur aide. Ce n'est pas toujours d'ordre financier. Elles peuvent apporter d'autres aides matérielles et même faire la campagne en faisant venir d'autres personnes dans le parti. Mais pour débuter, pour commencer, il faut d'abord avoir le peu. Le peu, là. Ton peu, là, il faut d'abord... <laughs> Bon, je ne peux pas dire que je ne suis pas financièrement prête, mais je fais de mon mieux. La première difficulté est qu'il n'y a jamais assez d'argent pour financer une campagne. C'est tout ce que je, c'est le moins que je puisse dire. Il n'y a jamais assez d'argent pour financer une campagne. On fait toujours avec les moyens de bord et avec le temps, comme je viens de le dire, on arrive à faire aboutir les choses avec certaines aides. Mhm. d'autres pas. Donc c'est la seule difficulté que vous rencontrez Non, euh, ce n'est pas la seule difficulté. Il y a aussi euh, les femmes. Elles sont confrontées souvent au refus de leur mari. Elles veulent s'engager, mais souvent les, les maris n'acceptent qu'elles s'engage vraiment dans la politique. Elles préfèrent euh, être souvent à, malgré l'engouement qu'elles ont pour la chose. Et d'autres fois, elles négocient, négocient, elles nous abordent en nous faisant comprendre d'aller vers leur mari pour convaincre. Vous voyez un peu. Mhm. Donc ça, c'est des difficultés aussi auxquelles les femmes sont confrontées dans la vie politique. Cette difficulté-là, bien sûr, vous n'en faites pas partie. Vous avez le soutien dans intégral tout ce que je fais, j'ai la caution de mon mari. Ça, c'est primordial. <laughs> D'accord. Madame euh, Ramatou depuis combien d'années vous militez dans un parti politique Les années 90, exactement, je crois, dans les années en 96. Environ 30 ans. Ah oui. <laughs> D'accord. Vous avez été une fois élu. Dites-nous comment est-ce que vous avez fait pour avoir les fonds de la campagne. Comment est J'ai été élu conseiller municipal dans ma localité à l'époque, je travaillais dans une société, dans une très grande société d'assurance. Mon mari aussi était un fonctionnaire d'un certain rang. Vraiment, je n'ai pas senti de difficultés sur le plan financier et autres. Maintenant, et pour le choix, j'étais même ici à Niamey, c'est les gens de mon village, les hommes comme les femmes qui ont dit, ah, avec la nouvelle euh, méthode, là, les choses qui vont commencer, il faut que Bouli soit élu. Parce que là-bas, à la maison, on m'appelle Bouli. Donc, quand il y a eu la première réunion du parti, je suis venu, je me suis présenté pour le choix des trucs. Et maintenant, les gens ont dit Ah, nous, en tout cas, c'est toi qu'on a choisi pour être notre candidate au local. Est-ce que je pouvais refuser non, je ne pouvais pas refuser, j'ai accepté et c'est comme ça que j'ai fait mon premier mandat. J'avais mes fonds propres et il y avait diverses contributions. Ceux-là même qui ont dit il faut que ce soit moi, mais ils ont apporté leurs contributions matérielles comme financières. D'accord. Chaque parti politique contribue dans le financement des campagnes de ses militants. Est-ce que c'est votre cas Oui. C'est-à-dire que ah, quand on dit que le parti contribue, en réalité, il faut faire attention. Ce n'est pas qu'ils prennent de l'argent pour donner au candidat. toi, je te donne 500 000, toi, je te donne 1 million. Ce n'est pas comme ça. Il y a un bureau de campagne. Il y a un directeur de campagne. Et c'est à ce bureau de campagne-là qu'on remet l'argent. Et là, ce n'est pas individuellement qu'on donne au candidat. C'est pour organiser les meetings, c'est pour euh, et acheter certaines choses. C'est pour le transport des militants. C'est pour voilà. Donc euh, moi je pense que la candidate doit chercher ses fonds propres. Le montant que vous avez reçu était-il suffisamment pour euh, couvrir votre campagne <laughs> Vous savez, ça ne suffit pas. Mhm. On se débrouille et souvent on fait avec ce qu'on a. Et heureusement, ça a marché. Mais l'argent ne peut pas suffire, c'est pas possible. Si par exemple moi j'ai mon fonds propre, mhm. il y a le, mon mari qui me soutient, ma famille. C'est comme une espèce de contribution. Vous voyez, mhm. les voisins, le mari, les enfants, les amis, tout le monde accourt pour dire ah nous voilà ce qu'on a. Ou bien là-bas au village, il y a des gens qui viennent pour dire que nous on n'a pas d'argent mais tel village, nous avons des connaissances, nous avons des mm. parents, nous allons les démarcher pour qu'ils votent pour vous. Voilà comment la campagne se fait, passe. En fait, nous, ce qui nous intéresse même, c'est le côté financement. <laughs> c'est ça. Nous aimerions savoir comment est-ce que tout cela se passe. Comment est-ce que vous arrivez à débattre campagne Est-ce que les fonds, vous avez les fonds nécessaires pour ça le minimum qu'on a, on fait avec. Et puis, vous savez, aujourd'hui, la femme, la femme nigérienne, le, le, Nigérien en général, on dit que le Niger est pauvre. Mais cette pauvreté-là, sans être pessimiste, elle revêt un visage féminin. Donc, demander à une femme si elle peut avoir suffisamment d'argent pour faire la campagne, moi, je pense que ça relève un peu de l'utopie. On fait avec ce que nous avons. D'accord. Voilà. Madame euh, Amina, est-ce qu'il euh, y a un document qui traite spécifiquement des aspects du financement liés au choix des candidates aux élections électorales un document lié à CARE international. Euh, qui traite spécifiquement du financement Oui, de l'aspect du financement lié au choix des candidates. Et je dirais que de façon globale, nous abordons la problématique de la participation politique de la femme à travers quand même la politique de CARE internationale au niveau global et au niveau de la sous-région euh, auquel nous appartenons, et aussi de façon spécifique du contexte nigérien. Et tout ce que euh, nous pouvons dire, et de façon euh, pratique de par l'expérience de CARE, c'est comme vous le savez, les femmes font d'abord du travail économique. Donc déjà, c'est des femmes qui sont dans les AGR, qui arrivent quand même bien que mal euh, à s'assurer le minimum. Maintenant, avec cette question de participation politique, donc il y a le réseau, le réseau de, de ce mouvement-là, dont aujourd'hui nous comptons à peu près euh, un million de membres à travers tous les Niger qui sont euh, mobilisés et qui sont informés de la candidature et de leurs consoeurs. Donc c'est ces réseaux-là, les, les candidats se basent sur ce réseau des femmes engagées, motivées, et pour pouvoir vraiment leur apporter leur appui. Il y a le groupement au, premier niveau, il y a le réseau et il y a la fédération. Donc c'est vraiment la solidarité féminine par excellence qui se déclenche là-bas pour pouvoir soutenir ces femmes et aller voter pour elles. Parce que le premier niveau, c'est d'abord la sensibilisation. Et pourquoi nous, en tant que femmes, nous sommes intéressés à être euh, aux élections et qui parmi nous est assez renforcée pour devenir candidate et aller défendre nos intérêts là-bas, lesquels de nos intérêts et quel apport pouvons-nous lui apporter. Donc, en matière de mobilisation des fonds pour les campagnes, c'est comme l'a dit eh, la elle est d'abord individuelle, c'est à la candidate de vraiment de mobiliser, que ce soit ses ressources propres à elle, de la famille, de son entourage, les amis, les collègues, et aussi les cadres qui sont les structures MMD auxquelles elles appartiennent aussi, parce qu'il y a des caisses là-bas de mobilisation des fonds. Est-ce que ces caisses-là peuvent vraiment leur venir en, appui, même si nous savons que ce n'est pas grand-chose Et quant au parti politique aussi, elle l'a dit, c'est vraiment pas de l'argent liquide à mettre dans les mains des, des même des candidats, les hommes, parce que la différence, elle n'est pas si grande que ça en matière de mobilisation des fonds pour la participation politique. C'est vrai, pour les femmes, c'est un peu accentué du seul fait que euh, les femmes sont euh, plus pauvres que les hommes. Mais mhm. en matière de, de participation politique, c'est d'abord qu'est-ce que je peux personnellement mobiliser. Je dois compter sur moi-même et après sur mon réseau en termes de famille et d'amis le financement, pour moi, n'est pas que financier. Mhm. C'est aussi d'ordre matériel. Parce qu'aujourd'hui, les candidats doivent aller battre campagne dans les contrées les plus reculées de leur circonscription. Moi, je pense que dans le réseau, quelqu'un peut apporter un appui en termes de logistique, un appui en termes de, de carburant, un appui en termes de prise en charge, de nourriture, etc. Tout ça, quand nous allons le mettre ensemble, nous pouvons vraiment le chiffrer pour avoir une idée en termes d'estimation combien ça a coûté à la candidate et pour pouvoir mener sa campagne. Par rapport à cela, je retiens plutôt que Kerr se réfère au réseau pour apporter leur aide aux femmes candidates, n'est-ce pas Non, euh, oui, le réseau, c'est la candidate qui se qui, refaire vraiment aux structures MMD. La candidate elle-même. La candidate elle-même, parce que c'est elle qui est, qui est issue de ce mouvement. Mais CARE, ce que CARE apporte, c'est vraiment et toutes les formations en termes de renforcement des capacités à leadership, citoyenneté, la connaissance des tests sur le processus électoral, comment battre campagne, comment les aider à avoir une visibilité, comment avoir... Euh, un programme de candidature, etc., etc., qu'elle lui donne les outils nécessaires pour qu'elle soit apte à battre non seulement campagne, mhm. mais une fois qu'elle serait élue, de faire face à ses nouvelles responsabilités et à pouvoir jouer pleinement son rôle. Mhm. Euh, écoutons à présent les témoignages des familles sur le soutien financier. Pendant la campagne, ils ont beaucoup investi, en plus de ce que le parti même a donné. Et ces deux investissements ont permis le bon déroulement de toutes les activités. Nous l'avons beaucoup aidé, sa famille, mes amis et moi-même. Nous l'accompagnons dans toutes ses sorties et grâce à Dieu, elle a eu le poste. Nous sommes ses parents. Moi, je suis son petit frère, puis son conseiller. Ce qui revient à ses proches maintenant, c'est de lui apporter leur soutien, lui prodiguer des conseils, entre autres. Mais sortir massivement ou donner des biens ou encore de l'argent, ça va venir après, mais pas tout de suite. Comme son nom est sorti, les parents qui sont à côté et même loin, désormais, c'est un devoir pour eux d'apporter leur contribution. Voilà, c'était les témoignages que nous avons pu récolter. Madame Kounche, quelle est votre euh, réaction par rapport à ça Non, c'est la vérité. De nos jours, c'est comme ça que ça se passe. Effectivement, quand on est investi dans un parti, mais c'est une mobilisation totale du mari, des parents, des voisins, des amis, du groupe Fouandi auquel vous appartenez et de tout le monde. Hein. Tout le monde concourt à apporter vraiment quelque chose pour vous aider. Parce que ça devient comme une fierté. Les gens sont fiers que vous soyez retenu. Donc, ils aimeraient vraiment que vous soyez élu. Et donc, ils mettent des leurs. Ils mettent beaucoup. vraiment, ils tiennent beaucoup. Vos propres enfants, ils mobilisent leurs camarades, les jeunes. Ils font l'animation. Ils font tout. Moi, je pense que c'est la pure réalité, ce qu'on a suivi là. D'accord. Mhm. Madame Kadore Rachida, quelles sont vos appréciations par rapport à ces témoignages C'est la réalité. Hein. C'est la réalité. Aujourd'hui, dans une famille, quand une femme s'élève, elle postule et dans la politique. Tout de suite et maintenant, vous allez remarquer une certaine frénésie de part et d'autre surtout venant de la famille d'abord, les amis, tout le monde se tape la poitrine, ah c'est une telle, on va te soutenir, ceci, cela. Et tout le monde s'y met à l'œuvre donc, euh, c'est vraiment ce qui se passe partout et on remercie les parents, amis et connaissances pour ce courage-là qu'ils entretiennent pour nous accompagner. Vraiment, je profite de ce plateau pour leur dire merci. D'accord. Je continue toujours avec vous. Est-ce que vous avez accès aux ressources financières du parti auquel vous appartenez Le parti n'a pas vraiment de ressources financières déposées. Je vous explique un peu comment ça se passe. Et s'il y a quelque chose à financer, par exemple un meeting ou que le, staff du parti, je vais dire euh, le bureau politique, doivent rendre visite à un malade ou financer une petite activité d'un militant, il s'assoit, on fait une réunion, on voit comment est-ce que tout le monde peut cotiser selon ses moyens. On cotise le peu qu'on a eu, on le met dans une enveloppe et on l'apporte. Voilà comment ça se passe. C'est pas comme s'il y a de l'argent déposé où il faut venir. À chaque fois qu'il y a quelque chose, il faut prendre directement pour aller. C'est vraiment avec le soutien de tout le monde qu'on arrive à financer les activités. D'accord. Donc c'est par nécessité. Vous collectez les, les, fonds et vous donnez à la personne. Euh, euh, oui. D'accord. Nous allons continuer avec Mme euh, Madame Les partis politiques, maintenant qu'on prépare les élections, il délègue une somme pour un département, pour mhm. une région. Et maintenant, c'est à eux de partager ça selon les communes, selon les départements. Et cet argent-là qui revient à votre commune, on ne prend pas une partie pour dire Ah, vous êtes candidat, tenez. Non, c'est un directeur de campagne qui gère ça. Et il le gère de la plus grande transparence. Est-ce que vous êtes candidate cette année Non. Pourquoi euh, Je vous le dirai hors micro. <laughs> Hors micro pas, mais, mais il faut partager ça avec nos auditeurs. <laughs> Non, non, non, non, ça ne se dit pas. D'accord, d'accord, nous respectons. Suivons à présent le portrait de Hajia Hadiza Al-Gabit, une femme candidate aux législatives à Agadez. Ajiadiza al Algabit est une grande militante du parti politique Pendes Tareya. Elle a été candidate aux élections législatives lors du premier mandat de son parti. C'était en 2011. Bien qu'elle n'a pas été élue à l'époque, Ajiadiza n'est pas découragée. Elle a encore déposé sa candidature aux prochaines élections législatives de 2020-2021, toujours au titre du même parti politique. Née en 1970 à Ingel de la région d'Agadez, a est une grande commerçante qui habite dans la commune d'Agadez. Pourquoi cette ambition pour la politique Bon, la politique, pour moi, c'est vraiment un choix. J'ai moi-même pris l'initiative d'y participer. D'abord, parce qu'à mon avis, si une personne a un boulot et qu'elle s'en sort, il faut qu'elle participe dans la politique. Et je ne fais pas de la politique uniquement pour moi-même, c'est pour toute la population, principalement pour les jeunes et pour les femmes. Aujourd'hui, la politique régit le monde entier. Si tu n'y participes pas, c'est pas bien. C'est même obligé, je il faut se battre pour pouvoir aider les gens avec lesquels on vit. C'est même ça qui me donne encore plus de courage. C'est pourquoi j'ai décidé que cette année, j'allais déposer ma candidature si les gens sont d'accord. Quels sont les objectifs de Haji Hadiz Al-Gabit une fois qu'elle sera élue députée si tout va bien et qu'on arrive à atteindre nos objectifs, je ferai du mieux que je peux pour les aider dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé et aussi dans l'autonomisation économique de la femme. Aujourd'hui, la politique demande beaucoup de moyens financiers. Pour bien battre campagne, gagner la confiance des militants et avoir beaucoup de voix, il faut mettre la main dans la poche. C'est quoi le secret de Haji Hadiza côté financier oui, j'ai un travail. Je ne dirais pas que j'ai un très grand chiffre d'affaires, mais quand même, je ne me plains pas et je n'envie personne. Et c'est avec quoi je finance ma campagne vient de mon entreprise personnelle. C'est vraiment sur fond propre. J'ai aussi de la famille qui me soutient à 100% de cette lancée. Il y a aussi des gens en qui j'ai confiance, qui me soutiennent aussi à 100% de la politique, qui m'aident du mieux qu'ils peuvent, c'est-à-dire qu'ils ne me donnent pas forcément de l'argent, mais un soutien moral. Et je les remercie. Ils m'ont montré qu'ils m'aiment, qu'ils veulent de moi et qu'ils sont d'accord avec ce que j'entreprends, avec ou sans argent. Dieu les bénisse, on est ensemble. D'accord. Madame Aminatou, avez-vous déjà connu Hajia Hadiza Non, personnellement. Quelles sont vos appréciations par rapport à tout ce qu'on vient d'écouter Je vois que c'est une dame euh, engagée et déterminée. C'est vraiment le prototype de femme modèle nigérien, euh, nigérienne rurale. Et c'est pour dire que euh, pour s'engager en politique, et on n'a pas forcément besoin d'être intellectuel à un certain degré. Il suffisait juste d'être quelqu'un qui est active du point de vue social et qui déjà s'en sort elle-même parce qu'on a vu c'est une entrepreneur. Ça veut dire qu'elle, elle a dépassé le stade de, la satisfaction de ses besoins vraiment euh, pratiques c'est-à-dire le manger, s'assurer, le, les manger, se soigner, s'habiller et tout. Et on sent, on a senti le leadership en elle. C'est une femme leader. Elle pense aux autres, elle pense à sa communauté. Comment est-ce qu'elle elle, elle peut aider les autres à aller se défendre là-bas en tant que femme, les autres femmes et les jeunes. Parce qu'aujourd'hui, la femme, quand même, au Niger, du point de vue du nombre numérique, de ce qu'elle représente, et on ne peut pas quand même faire la politique sans elle. Et comment est-ce qu'on peut prendre en compte ses intérêts, il faudrait que ça vienne d'elle-même en première position. Il faudrait qu'elle soit consciente, qu'elle se batte et qu'elle intègre ces milliers dans lesquels des décisions sont prises au nom des femmes et des jeunes alors que ces derniers sont au dehors de cette arène. C'est ce à quoi elle a dit non. Il faudrait que les choses changent. Et ce qui m'a plu énormément en elle, c'est le fait qu'elle est déterminée, qu'elle est engagée, qu'elle est courageuse. C'est pas le fait que euh, euh, vous n'avez pas été élu au premier, à la première fois qu'il faut euh, baisser les bras, il faut se décourager. Non, on acquiert de l'expérience. D'accord. Merci, Madame Amina, pour cette analyse. Madame Ramatou Kunti, est-ce que vous avez connu Hajia Hadiza Non, je ne la connais pas personnellement. Mhm. Et c'est ici au studio Kalangu que je viens de suivre vraiment son interview. Qu'est-ce que vous pensez d'elle <coughs> Moi, je pense que c'est une femme modèle. Mhm. Pourquoi elle est modèle C'est une femme assidue. Elle sait ce qu'elle veut. Elle est déterminée. Elle sait que l'échec ne peut pas être éternel et la réussite non plus. Comme elle a échoué, au lieu d'aller croiser les bras pour dire non, moi vraiment, non, non, au contraire, c'est en ce moment-là qu'elle a eu le courage de s'engager davantage parce qu'elle sait que au bout du tunnel, c'est elle qui va réussir. Et voilà le modèle qu'on veut pour la femme nigérienne. Mhm. Parce que elle fait la politique pour que les femmes soient aux instances de prise de décision. Elle ne veut pas être toujours au bas niveau, Quelqu'un va prendre sa décision, tu vas essayer d'exécuter ou d'échouer et, ou d'écouter. Non. Elle, je pense que de par ce qu'elle dit, de par son comportement, elle a déjà dépassé ça. Et au fil du temps, les hommes, même ceux qui la combattent, parce qu'une femme, quand elle est battante, elle est combattante, vraiment, on ne l'accepte pas de sitôt. Hein. Surtout dans le milieu des hommes. Il cherchent même à faire la division, ils cherche à, la mettre de côté. Mais au fil du temps, ils se rendront compte que ils ont besoin de cette femme-là parce que qui va mobiliser les femmes mhm. C'est elle. Qui est un exemple pour les femmes C'est elle. Qui est un exemple pour les, pour les jeunes C'est elle. Donc, ils seront obligés de mhm. compter avec elle. Mhm. Voilà ce qui m'a plu en cette femme-là. Et je pense que vraiment, elle doit persévérer. Et elle le fait d'ailleurs. Mhm. Je vous remercie. D'accord. Donc, euh, je reviens vers vous, Madame Rachida euh, Rachidatou. Y a-t-il des différences dans la façon dont les femmes candidates et les hommes candidats dépensent leurs fonds de campagne Est-ce qu'il y a une différence Non, je ne vois pas de différence vraiment. La seule différence se situe au niveau du pouvoir de financement. Généralement, les femmes ne sont pas bien friquées, elles n'ont pas beaucoup d'argent pour financer leur campagne comme les hommes. Mais les règles des campagnes exigent la même chose chez la femme tout comme chez l'homme. Mhm. Il faut dépenser de l'argent, il faut mobiliser des véhicules, il faut aller de quartier en quartier. Il n'y a pas de type, il n'y a pas de modèle de campagne pour un homme mhm. et un autre modèle pour une femme. Mm, Donc c'est la même chose. le seul problème, c'est les mm-hmm. finances. Et si une femme est bien financée, si elle a les moyens de financer sa campagne, moi je pense qu'elle ferait la même chose que l'homme. Donc, euh, je ne dirais pas qu'il y a une différence entre la campagne d'une femme et celle d'un homme. Je dirais plutôt que la différence se situe au niveau du pouvoir qu'elle peut détenir. Donc si vous détenez justement le même fonds de campagne, vous réagirez de la même façon qu'un homme. Sinon plus, hein. D'accord, d'accord. Madame Ramatou quand est-ce que vous avez été candidate Y a-t-il des différences dans la façon dont les femmes candidates et les hommes dépensent aussi leurs fonds Moi, je pense que être candidat, c'est être à la recherche de quelque chose. Donc, voir la différence entre la candidate et le candidat homme. Vraiment, moi, je ne vois pas la différence. La seule différence est que, naturellement, les hommes ont plus de moyens que les femmes et ils dépensent plus. Maintenant, la femme, elle aussi, elle a sa stratégie. Parce que le porte-à-porte, l'accès dans les maisons et être vraiment accepté, c'est la femme un homme, surtout dans, notre pays, ne va pas aller à la porte de quelqu'un pour dire salam alaikum. Donc, ce rôle-là, c'est la femme qui le joue. Et si différence il y a, peut-être c'est cette approche-là qui est différente. Sinon, un candidat et une candidate ils ont la même vision, ils ont le même objectif, ils regardent dans la même direction. Donc, je ne vois pas la différence qu'il peut y avoir. Une dernière question pour vous, Madame Contier. Quel est le rôle des institutions nationales dans le financement des femmes dans la politique Bon, les institutions nationales et internationales, moi, je vais ajouter ce que c'est le fondement juridique. Par exemple, vous voyez, la loi sur le quota en 2000, c'est une loi de discrimination positive. Et de là, les femmes ont commencé à dire que voilà quelque chose vraiment qui est bénéfique. Parce que si je dois faire une, petite parenthèse, on était en tant que concert, on était, on est parti en voyage au, au Bénin. Mais nous avons été applaudis là-bas. Parce que ils, ont dans ils avaient dans les 110 communes, nous dans les 266. Et il n'y a pas une seule commune qui n'a pas une présence féminine, même si c'est une concert. Et ils ont dit que chez eux, la plupart des communes, il n'y a pas de femmes. Donc vous voyez, le gouvernement joue un rôle. Et surtout les institutions internationales. Vous avez la CEDEF, ça nous a beaucoup aidé. Vous avez la conférence de Beijing, Bédine plus 5, Bédine plus 10, etc. Et récemment, si nous devons regarder aussi au sein de l'IOMOA, mais progressivement, plutôt que de parler de la loi sur le quota, sur les huit pays de l'IOMOA, nous avons au moins trois qui ont la parité. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Guinée. Qui nous dira que demain, après-demain, il n'y aura pas d'autres pays qui ont la parité. Mhm. Et cette parité-là, même si on la, on l'applique pas très bien, c'est quand même une base juridique. Et au fil du temps, je pense que ça pourra beaucoup aider les femmes. C'est ça que j'ai vu en tant que rôle de gouvernants et en tant que rôle sur le plan international. Je merci, vous remercie. Madame, mhm. amina Madame Aminatou, un mot pour les femmes politiciennes. Un mot pour les femmes politiciennes. Quel appel est-ce que vous leur lancez Et l'appel que euh, nous avons à l'endroit des femmes politiciennes, c'est vraiment d'être persévérantes et de ne pas se sous-estimer, de ne pas se laisser démotiver. Et le terrain politique, comme nous le savons, n'est pas du tout aisé de façon générale, que ce soit de l'homme ou bien que la femme. Mais nous savons que les femmes ont beaucoup plus de difficultés que les hommes du fait qu'il y a le problème d'ordre euh, éducation et le niveau d'éducation joue, le problème financier que nous venons de débattre également et le problème lié au statut de la femme. Et c'est vrai, il y a eu des avancées et par rapport à l'émergence des femmes sur le plan politique mais tout de même, il y a des réticences. Il y a toujours dans ce pays qu'on appelle le Niger, certains contrées dans, lequel, dans lesquelles les femmes ne sont pas tout à fait libres, autonomes pour pouvoir exercer leurs droits politiques, d'être électrices et électeurs. Il y a des poches de résistance. Donc nous incitons celles qui ont aujourd'hui ce pouvoir-là d'être candidates de ne pas oublier leurs sœurs, d'intensifier le combat et de jouer leur rôle de femmes leaders, de femmes engagées, d'avoir une intégrité de telle sorte que, parce qu'elles sont des modèles, quand mhm. elles ne jouent pas bien leur rôle, elles vont impacter et la position des femmes, le statut des femmes, parce que les gens diront que, mais qu'est-ce que les femmes ont servi Même celles qui ont été élues, elles n'ont rien fait, ou bien elles ne sont pas conformes, parce que, et c'est de ça aussi qu'il s'agit. Et il y a euh, pas mal, euh, du point de vue... Euh, d'ordre comportemental, du point de vue et, et de respect de certaines normes sociales. Mhm. Mhm. Donc vous demandez aux femmes d'être plus déterminées, et doser plus dans de, les doser plus vraiment de ne pas euh, euh, avoir peur et de, foncer et qu'elles doivent savoir qu'il y a les autres femmes qui sont derrière elles pour les soutenir. C'est un combat vraiment de femmes, c'est un combat de génération et que les autres sont derrière elles que ce n'est pas un combat individuel. Elles n'ont mhm. pas droit d'avoir peur. D'accord. Madame Kadaouré, quel appel lancez-vous aux femmes politiciennes en tant que candidate cette année <laughs> J'ai dit à toutes ces femmes de ne pas se décourager, de maintenir leur courage et de beaucoup plus persévérer. Et surtout, d'aller se former par rapport à cette politique-là auprès des institutions telles que CARE et de les approcher et bénéficier des formations qu'elle leur offre. D'ailleurs, c'est ce que je ferai moi aussi. Pendant qu'on y est, et j'appelle aussi, je lance aussi un appel aux hommes de laisser leur femme s'affirmer. Mhm. Un homme, tu ne pourras être pleinement heureux que quand tu permets à ta femme de s'affirmer, d'affirmer sa mhm. personnalité. Tu ne pourras que profiter en bien. Les femmes elles sont beaucoup plus politiques que les hommes. Quand je dis qu'elles sont beaucoup plus politiques que les hommes, euh, je vais par là et montrer le fait, euh, leur détermination. Comme Tanti l'a dit tout à l'heure, les femmes, c'est les femmes qui font le porte-à-porte, -porte, de maison à maison. Elles appellent les familles, les parents, les voisins. C'est les femmes qui font ça, c'est pas les hommes. Et maintenant, si on n'aide pas les femmes dans ce sens-là, on ne leur donne pas les moyens, on ne les soutient pas moralement, elles ne pourront jamais pleinement profiter de leur politique. Donc, euh, je lance d'abord un appel aux hommes de nous soutenir, nous, leurs femmes. Et je lance un appel à toutes les familles, toute la population, de soutenir les femmes dans ce combat pour qu'elles puissent y arriver. Madame Contier, en tant que présidente des élus de la région de Tilabéry, quel appel est-ce que vous lancez aux femmes politiciennes L'appel que j'ai lancé, parce que nous avons même un groupe WhatsApp, mhm. c'est que les femmes doivent se battre pour être des candidates. Parce que tout le problème se situe au niveau des choix. Vous allez très bien vivre dans le parti, en bonne compréhension avec les hommes. Mais le jour où il y aura le choix des candidats, ça, les bagarres vont commencer. Donc, les femmes, non seulement elles doivent se battre, mais être de vraies stratèges. Stratèges pourquoi Pour euh, détecter dans ce groupe-là les, les hommes qui leur sont favorables et maintenant composer avec eux pour atteindre leur objectif. C'est très important. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, que ce soit au niveau de la famille, que ce soit dans les partis politiques. Mais on ne peut pas diaboliser les hommes uniquement. Hein. Il y a des hommes qui sont très favorables à la participation des femmes en politique. Que ce soit votre fille, votre épouse, votre sœur, ou bien comme ça, dans le parti, vous avez, comment dirais je et nous allons maintenant peut-être progressivement vers un nouveau concept que les gens appellent la masculinité positive. C'est des hommes, mais qui sont très favorables aux femmes très favorables aux actions des femmes. Par exemple, en Côte d'Ivoire, il y a même des groupes, c'est des intellectuels, c'est des entrepreneurs, c'est des ingénieurs qui forment un groupe pour voir comment ils peuvent aider les femmes à ce qu'elles accèdent aux instances de prise de décision. C'est très important et c'est l'appel que moi je lance aux femmes. Il faut que les femmes soient assidues, qu'elles soient persévérantes et qu'elles sachent exactement ce qu'elles veulent. Parce que le tâtonnement ne nous sert pas. sinon, il y a la non, en, la non prise en compte du poids démographique des femmes. Si les hommes respectaient le poids démographique des femmes, nous sommes plus nombreux que les hommes. Les choses n'allaient pas se passer comme ça dans les partis. Et notre handicap aussi, c'est le niveau scolaire. Il faut le dire. Et ce que nous devons faire, c'est le maintien de la jeune fille à l'école. Non seulement son maintien, il faut qu'elle ait un bon niveau. Et là, nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes, surtout dans le milieu rural. Je vous remercie. Merci à toutes pour tous ces éclaircissements. Ici prend fin notre discussion sur la thématique femmes et élections. Comment les femmes financent-elles leur campagne Nous étions pour cela avec euh, Madame Rachida Mahamadou, femme candidate aux élections 2020 avec Madame Aminatou Daouda Hainikoy, chef de projet du programme MMD Aker, et avec Madame Ramatou Kounche, présidente des femmes élues locales de la région de Tilaberi, à la technique Issa Lawali, à la régie vidéo Mustafa Ayouba. Mais avant de nous quitter, je vous propose notre rubrique Affairage, une causerie entre femmes en vue d'informer et de sensibiliser. Affairage, affairage, affairage, affairage. 5 mille, dix 000 il me dit cinquante mille. Hum, c'est bon, ah, ah. Hum, c'est bon. viva viva bonjour, comment vas-tu Je vais bien, Dieu merci. Et chez toi, ma chère, comment vont les bouts de chou Ils se portent très bien. Mais ma chérie, qu'est-ce qui te prend de compter de l'argent en pleine rue comme ça Tu as gagné au loto ou quoi hum, J'aurais bien aimé que ça soit de l'argent gagné au loto. Au fait, je sortais de la banque et comme la salle était bondée de monde, j'ai préféré faire le compte dehors, loin des regards indiscrets. Tu m'étonnes vraiment. Donc toi, tu trouves que dehors, et plus sécurisé qu'à l'intérieur de ta banque. D'où sortit cette idée tordue Hé eh, ma chère, mon idée est bien fondée, je t'ai dit. Tu sais, paraît-il que parfois même dans les banques, il y a des bandits infiltrés dans la foule qui viennent pour des opérations bancaires et en même temps espionner ceux qui encaissent des grosses sommes. Hmm, tu veux me dire qu'il y a des personnes qui vont te suivre pour des petites miettes. Bon, supposons que ce que tu as entendu soit vrai. N'empêche qu'à l'intérieur, tu es plus en sécurité. En tout cas, plus que dans la rue. Parce que là, tu t'exposes à des vols à l'arraché. Voilà quoi Ça a l'air grave de... Si je comprends, les voleurs enlèvent les personnes maintenant. Hé, eh, calme-toi. Ne me dis pas que tu n'es pas au courant de toutes ces vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Des caméras de surveillance qui montrent des bandits à moto qui ont menacé une femme à l'arme blanche, puis emporté son sac à main. Mais Niamé est dangereux dès en pleine journée. Gassa. Eh oui, en pleine journée, Il faut vraiment que tu fasses attention. Quand tu marches dans la rue, surtout ouvre grand tes yeux analyse bien l'endroit s'il est bien fréquenté, s'il est désert. Si tu as un doute, ne serait-ce qu'un petit doute, rebrousse chemin et trouve-toi un autre chemin. Ah, c'est fini. Je ne compterai plus mon argent sur la voie publique. Désormais, je n'irai nulle part sans mon mari ou mon petit frère. Mike Chinga, tu sais comment ils sont costauds, non Même si Bandi veut nous attaquer, il réfléchira à deux fois avant. Hmm, ce n'est pas une mauvaise idée. Cependant, dis-moi, ce n'est pas partout que tu seras avec tes gardes corps. Ils ont d'autres choses à faire ou bien ah oui tu as raison donc le mieux est que je fasse attention à moi toute seule j'ai choisi mes lieux à fréquenter et où mettre mes pieds en faisant très très attention alors voilà ma chérie tu as tout compris avec l'argent que tu as pris à la banque peut-être même que tu peux t'installer une, un système de vidéosurveillance eh, ne ris pas de moi hein. Et puis ne profite pas de mon ignorance pour m'insulter des pauvres. Ah, qu'est-ce que j'en sais De nos jours, on ne sait pas. Hein. Peut-être que ta pécule de contractuel a changé. <laughs> femme. Et